ils doivent recruter. Euh, Antoine Griezmann Winter pas un jour du Barça Moi, j'aurais misé Griezmann fi nga xamante euh, Real de Madrid c'est un joueur il est bon techniquement mais la technique la vivacité la rapidité Valérie notre soeur, que nous saluons aussi au passage la rapidité et le style de joueur que le Barça a, joué, a, a besoin du style Antoine Griezmann. Moi, j'aurais misé Antoine Griezmann au Real de Madrid. Il allait faire très, très, très, très, très mal. Le Real n'a pas besoin de football éblouissant. Le Real n'a pas besoin de football fantastique ni magique, non. Le Real de Madrid a besoin de joueurs très, très, très, très efficaces. Moi, j'aurais vu Antoine Griezmann Real de Madrid. Mais ça m'étonnerait parce que Football Jogger, Atletico Madrid, et échange changement. Non, non, non, du gars et concernant nag li nga xamantene ne bi moom euh les recrues du Barça dinañ ci ñëwaat mais actuellement même Tierney mi nga xamantene bi ni moom moo yore équipe bi ça m'étonnerait sax mu eggali équipe de déwén xam ils sont en train de discuter avec Javi Hernandez pour mu ñëw xol naka la gérer lolu Fatou aussi une sœur que nous saluons au passage je demande lu RTS pour la TFM <laughs> non non <laughs> Didier pas. merci mon ami tu vois un peu euh, je reviens à ci le championnat d'Allemagne. Non, le championnat d'Allemagne.